le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio studio le forum du studio le forum du studio studio le forum du studio le forum du studio Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème triathlon, badminton, Sambo, état des lieux et perspectives des nouvelles disciplines sportives introduites au Niger. Le sport est un ensemble d'exercices physiques pratiqués sous forme de jeux individuels ou collectifs, pouvant donner lieu à des compétitions ou non. Le sport est un phénomène presque universel dans le temps et dans l'espace humain. Les Nigériens aiment le sport, mais à l'exception de la lutte traditionnelle, notre pays dispose de très peu de champions auxquels les jeunes sportifs nigériens peuvent prendre l'exemple. Certes, la tendance euh, commence à se renverser avec euh, l'exploit du taekwondoïne Issoufou Abdelazak Alfaga qui a démontré à la face du monde qu'un Nigérien peut devenir champion. Et parmi ces disciplines, on peut citer entre autres le triathlon, le badminton ou encore le sambo. Avec euh, nos invités, nous allons faire un état des lieux sur ces disciplines sportives, les obstacles et les perspectives pour leur émergence. Nous avons donc le plaisir euh, de recevoir euh, Marou Amadou, président de la Fédération nigérienne du triathlon. Marou Amadou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone, Abdoulaye Hassan, président de la Fédération nigérienne du badminton. Abdoulaye Hassan, bonsoir. Bonjour, monsieur Mokhtar et Maître Alzuma Hamidou, secrétaire général de la Fédération nigérienne du Sambo. Euh, Maître Alzuma Hamidou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Madou Amadou, qu'est-ce que c'est que le triathlon Donc le triathlon, c'est comme le, nom l'indique, c'est une, une discipline à trois épreuves, dont la natation, la course à vélo et la course à pied. Donc ces trois épreuves sont combinées, elles se font en même temps. On commence par la natation, on continue sur le vélo et on finit par la course à pied. C'est une discipline qui a eu sa naissance en 2015 et qui, donc, ça fait quatre ans seulement que cette activité se vit au Niger, avec un bureau exécutif national, avec des ligues au niveau des régions avec des clubs plus de 11 clubs répartis un peu partout dans le Niger. Même à Agadez, où il n'y a pas de, de l'eau pour la natation Donc le triathlon, effectivement, est choisi. Pendant les, activités, nous regroupons les sportifs un peu partout là où il y a des points d'eau. C'est vrai, Agadez a une ligue, mais Agadez participe aux compétitions des régions. La dernière fois, l'année passée, nous avons accueilli Agadez à Zender et aussi à Maradi au cours d'un point d'eau pour faire le triathlon, effectivement. Donc, chaque région a une équipe ou en tout cas une ligue de triathlon. Et aussi, le triathlon a d'autres épreuves qu'on appelle l'aquathlon, où il faut nager et courir, mais aussi une autre discipline qui s'appelle le diathlon, qui sont des épreuves olympiques aussi. Le diathlon, c'est courir, pédaler et courir. Ça veut dire qu'il faut courir et une certaine distance venir prendre un vélo, <coughs> parcourir une certaine distance et revenir déposer le vélo et faire une course à pied. Donc, c'est une discipline que l'on peut faire dans toutes les régions du Niger. Marou Amadou, comment ça se pratique sur le terrain Sur le terrain, j'ai dit généralement, j'ai dit c'est au cours des points d'eau. Dieu merci, nous avons beaucoup de points d'eau. Nous avons le fleuve Niger qui est large, grand, qui traverse vraiment une grande partie du Niger. Nous avons euh, la région de Tilaviri, la région de Niamey et la région de Dosso. Et nous avons aussi eh, des piscines dans certaines régions du Niger. Et il y a des régions dans lesquelles il y a des points d'eau. Même si dans la région mère, il n'y a pas, dans la ville mère, il n'y a pas de points d'eau, on peut en trouver dans un département. Vous prenez des régions comme Tawa, il y a effectivement des points d'eau. Vous prenez Agadez, il y a Arlit, qui a une piscine. Nous avons Difa, c'est une ville qui regroupe <coughs> beaucoup d'eau. Et nous avons l'habitude de faire des activités à, Difa. Donc je pense que au niveau du triathlon, ça se pratique de la manière la plus simple. Il suffit de, de savoir nager, de disposer d'un vélo, savoir pédaler et de faire une course à pied. Et généralement, cette discipline est née avec la conjugaison d'un certain nombre de disciplines, dont euh, les, fédérations de natation, les fédérations de cyclisme et les fédérations d'athlétisme. Tous les, les entraîneurs sont issus de ces trois, de ces trois disciplines tous les officiels techniques. Les officiels techniques, ce sont les organisateurs d'événements. Ils sont issus de ces trois disciplines. Ils sont déjà expérimentés. Donc, ces gens ont été formés au niveau euh, africain et mondial pour avoir l'expertise nécessaire et organiser des événements. Donc, je suis en train de dire qu'au niveau du triathlon, nous avons participé aussi à plusieurs événements au niveau à l'extérieur, au niveau africain, où nous avons eu même des médailles, des médailles d'or, d'argent et de bronze. Le Niger a eu plus de quatre fois des médailles d'or au Rwanda, au Sénégal, à Dakar, donc au Maroc en Égypte dans cette discipline. Donc c'est une discipline qui est née, ça fait pas longtemps, mais qui a fait beaucoup de, de prouesses. Et nous avons aussi euh, formé beaucoup d'entraîneurs et d'officiels techniques au Bénin, au Maroc, en Égypte, au Sénégal, même au Niger, puisque la première fois quand la discipline était née, il y a des experts internationaux qui étaient venus euh, à travers la fédération internationale qui s'appelle l'ITU, International Triathlon Union, pour former l'ensemble des représentants des régions. Et aujourd'hui, je pense que la discipline fait beaucoup parler d'elle. Et dernièrement, nous avons organisé notre dernier championnat national, troisième édition à Niamey, mais nous l'avons fait en diathlon puisqu'il s'agissait d'une période où le fleuve était un peu dangereuse et les piscines étaient un peu rares. Nous avons choisi le diathlon et vraiment, c'était une course euh, qui a été hautement bien mené Et c'est le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey qui était notre sponsor, que je vais remercier ici. Et c'est vraiment après ça que nous avons eu dernièrement, le 15 mars, des activités autour du fleuve pour aller découvrir le fleuve Niger. Malgré les différents problèmes que l'on peut rencontrer, nos athlètes sont aguerris puisqu'ils ont nagé même dans le lac Kivu. Ils n'ont pas peur des cours d'eau. Malgré toutes ces prouesses, pourquoi certaines disciplines sportives sont moins connues, ne sont pas connues au Niger Pour ce qui est de notre part, nous faisons tout pour faire connaître cette discipline. La preuve, à la naissance de cette fédération, nous avons et le ministère de l'Intérieur a donné son agrément, le ministère de la Jeunesse et des Sports a donné sa délégation de pouvoir pour exercer au Niger et un peu partout dans le monde. Nous avons eu affiliation avec la Confédération africaine de triathlon ATU, nous avons l'affiliation avec la Fédération internationale qui est l'ITU. Malheureusement, nous avons un obstacle. Nous avons demandé une affiliation au comité olympique et sportif nigérien. Au Cosini. Au Kosini. C'est ça notre premier, euh, le premier aspect d'obstacle que nous avons depuis notre création, depuis quatre ans. Néanmoins, la fédération continue à travailler sans ce cosini là qui euh, normalement, ce Kosini devrait accueillir toutes les fédérations, surtout notre fédération et olympique, il y a au niveau de la charte euh, de, l'olympisme, du mouvement olympique, et toute fédération olympique adhère directement au comité olympique de son pays. Malheureusement, chez nous, c'est le premier obstacle que nous avons. Abla c'est quoi le badminton Tout d'abord, merci euh, Monsieur Mokhtar pour cette euh, opportunité que vous nous offrez pour quand même euh, faire la promotion quand même euh, en cas de nos sports. je dois d'abord dire que le badminton est une euh, discipline, c'est un jeu de raquette, c'est-à-dire qu'il se joue. D'abord, elle se joue, c'est-à-dire en cinq épreuves. Elle se joue en simple homme, en simple dame, en double homme, en double femme et en mix. Tout ça là, à c'est pas technique. Hein? C'est pas du tout technique. C'est-à-dire, quand je dis double homme, c'est-à-dire deux femmes peuvent jouer, c'est-à-dire deux femmes peuvent jouer, c'est-à-dire euh, une femme contre une femme. C'est-à-dire, c'est, comme je disais, c'est-à-dire, c'est un sport de, de raquette et de filet. C'est-à-dire, de part et d'autre, on peut avoir, c'est-à-dire, une femme de l'autre côté, une femme de, euh, de l'autre côté également. Et pareillement également pour les hommes. Donc deux femmes peuvent jouer également contre deux femmes et deux hommes peuvent jouer également contre deux hommes. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire un simple homme, simple, euh, simple dame, double homme, double C'est ce que je voulais dire par là. Abla Hassan, comment ça se pratique euh, sur le terrain euh, là, techniquement, ça veut dire chacun essaie de garder le volant aussi longtemps que possible, ou bien le faire tomber. Dès que tu arrives, à faire tomber le, le volant dans le camp adverse, ça veut dire que tu as marqué déjà un point. Et ça se joue, c'est-à-dire euh, euh, à l'image euh, quand même du tennis, en fait du ping-pong, et un peu à l'image quand même du tennis, du tennis lent. Mais ils ont quand même, c'est-à-dire il y a les, comment on appelle ça, les techniques de jeu et même quand même les surfaces de jeu qui sont aussi un peu quand même différentes. Abla avez-vous l'habitude de participer aux instances internationales oui, après, euh, je dois d'abord dire que notre fédération, en fait, est une jeune fédération, bien que nous sommes en notre deuxième mandat. Permettez-moi tout d'abord de faire un peu la genèse. Donc, je dois d'abord dire que notre fédération a été créée euh, d'abord euh, en 2014. En 2015 déjà, on a eu notre délégation du pouvoir, en tout cas du ministère en charge des sports. Et depuis lors, en fait, notre fédération euh, n'a pas cessé quand même de faire un peu le plaidoyer pour pouvoir s'affilier au niveau des instances internationales. C'est pourquoi déjà, déjà en 2016, nous nous sommes quand même battus pour avoir notre affiliation auprès de la Fédération internationale de badminton, puis auprès quand même de la Confédération africaine de badminton. Et d'ailleurs, en fait, ce qui nous a valu la visite du secrétaire général de la Confédération africaine en 2017 et il a eu la chance quand même de rencontrer les plus hautes autorités en matière de sport. Et depuis lors, en fait, cest dire on a tenté également de dynamiser nos ligues parce que nous avons aussi des ligues au niveau des huit régions quand même du pays. Nous avons tenté de les dynamiser. Le tout parce que je disais que c'est une structure, euh, c'est une discipline nouvelle. Il, a fallu également essayer quand même de former les coachs. Il a fallu également, euh, ça doit procéder quand même à la détection des talents. Dans le cadre de cette formation, parce que euh, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas quand même accéder à une certaine maîtrise, en tout cas d'une discipline, tant qu'on n'a pas quand même des bons formateurs, tant qu'on n'a pas quand même des formateurs qui ont vraiment un niveau assez acceptable, qui puissent quand même, à mesure quand même, de former les jeunes. C'est en ce sens également que nous avons tenté quand même euh, de trouver des stages de formation à l'international. Donc, nous, il y a les stages de formation, euh, Dieu merci, nous en avons eu deux que nous sommes là. Je me rappelle déjà en 2015, nous avons une première vague, c'est-à-dire de deux coachs qui ont eu des boules de formation en Chine qui sont partis se former. Ça, c'était en 2015 déjà. En 2017, euh, nous avons également eu euh, quelques bourses. De deux bourses, on est passé quand même à cinq bourses. Et euh, en 2017, nous avons eu deux coachs également et trois joueurs qui sont partis en Chine pendant deux mois pour se former. Et tout récemment, en 2019, nous avons eu 20 bourses. Tenez-vous bien, 20 bourses, ce n'est pas rien plutôt. tôt. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui sont partis également en Chine pendant deux mois pour se former. Et à part cela également, nous avons eu la chance quand même euh, de faire venir un expert international. C'était en 2017, la personne de Dadji Anirao. C'est en tout cas, c'est le seul expert international au niveau africain qui est venu quand même former aussi des enseignants parce que je vous ai dit également que on ne peut pas faire la promotion quand même d'une discipline sans pour autant passer dans les écoles. Et c'est pourquoi il y a un programme qu'on appelle le programme Shuttle Time. Le programme Shuttle Time, c'est quoi C'est un programme de la Fédération internationale de badminton qui vise à faire la promotion de ce sport dans les établissements scolaires. Donc, dans le cadre de ce programme, nous avons eu à former plus de 35 enseignants. C'est-à-dire c'est une formation des formateurs. Et ça, c'est un expert qui est venu, en fait, ça à de la Fédération internationale, qui est venu quand même les former. Ces enseignants formés ont, euh, devraient également aller dans les écoles pour former également les élèves. Actuellement, nous avons aussi plusieurs programmes qu'on met en œuvre pour promouvoir et vulgariser, parce que vous savez que c'est comme vous l'avez dit, c'est des disciplines qui sont vraiment très peu connues au Niger. Donc, nous avons vraiment euh, cette mission tout d'abord de vulgariser la discipline. Et on ne peut pas la vulgariser tant qu'on ne touche pas les écoles. Actuellement, nous avons ce qu'on appelle le programme Initiation de tous au badminton. C'est un programme également qui prend essentiellement les jeunes en compte. Donc, nous formons les jeunes gratuitement on leur demande juste quand même de, de d'être, c'est-à-dire, soit cest au niveau du terrain. Et des fois aussi, on se déplace aussi dans les écoles pour procéder à des séances de démonstration couplées à la remise également du matériel. Parce que quand je dis matériel aussi, vous savez, comme c'est des sports de raquettes qui demandent, c'est pas comme les autres disciplines où on peut venir comme ça avec son maillot et juste jouer. On a besoin, par exemple, ça peut d'une raquette, par exemple, c'est-à-dire euh, d'un volant ou d'une boîte de volant. Nous avons aussi, dans le, au cours quand même de, en cas du mandat passé, nous avons travaillé de manière à avoir du matériel. Nous avons reçu du matériel et auprès de nos amis chinois. Vous savez que je dois d'abord le dire parce que je dois être reconnaissant par rapport aux efforts quand même fournis par certains de nos partenaires tels que euh, l'ambassade de la République populaire de Chine qui a pu véritablement quand même notre structure. Donc, nous avons eu en fait euh, du matériel avec euh, déjà l'ambassade. Ce matériel nous a permis quand même euh, de commencer déjà à faire notre formation de masse. Au-delà de ça également, nous avons mené aussi, c'est-à-dire une offensive au niveau quand même ou du moins un plaidoyer au niveau auprès de la Fédération internationale pour avoir quand même un nombre important de matériel actuellement qui nous permet de faire la promotion de ce sport sur l'étendue du territoire national. Ça, c'est extrêmement important. Donc, euh, entre autres également, nous avons eu à participer à plusieurs compétitions, pour répondre maintenant à votre question, à plusieurs compétitions à l'international. Euh, nous étions au Bénin je me souviens déjà, en 2017, nous étions au Bénin pour participer, pour euh, en tout cas euh, compétir aux internationaux du Bénin. Ça, c'était en 2017. On était également au Burkina Faso, également pour euh, prendre part aussi, c'est-à-dire aux compétitions francophones des moins de 15 ans. Et tout récemment, on était également à Abidjan pour prendre part également aux compétitions des C'est-à-dire c'est le tournoi francophone des moins de, moins de 14 ans, couplé au championnat d'Afrique. Donc vous voyez que vraiment il y a quelque part des efforts qui sont également en train d'être faits pour quand même essayer quand même de promouvoir cette discipline aussi bien au niveau national qu'à l'international. Restez en ligne, il est temps de donner la parole à Maître Alzouma Hamidou. Qu'est-ce que c'est que le sambo Les gens entendent parler du sambo. Avant d'abord de répondre euh, euh, à la question, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos soldats tombés lors des différents accrochages avec euh, euh, les, sectes terroristes. Donc qu'Allah leur accorde son paradis éternel. je prie Allah le Tout-Puissant qu'il descende sa grâce et la santé sur ce pays que nous aimons cher, que nous chérissons, et qu'il euh, qu'il fasse que cette maladie, que le coronavirus, euh, euh, soit vaincu, Inch'Allah. Et pour revenir à votre question, c'est le sambo, c'est une discipline d'origine russe. Que c'est le sambo, c'est un sigle, c'est pas comme le, certains le pensent, le nom d'une personne. On a des sambo ici, mais ce n'est pas le sambo, le nom d'une personne, mais c'est un sigle. C'est Zamozashita Bez Uruya, ça veut dire autodéfense sans armes en russe. Donc. Euh, non, c'est une discipline qui est née en Russie. En Russie, oui. Donc, euh, et c'était une discipline qui était exclusivement réservée aux forces spéciales de la Russie, l'armée les, les, rouge, euh, les forces spéciales les KGB autres. Donc euh, c'était vraiment une, euh, une discipline qui était confinée au, au, seul, euh, comment on appelle ça, aux, seules forces de l'armée russe. De, russe. Donc c'est vers 1900, vers les années 33, qu'ils ont commencé à, à créer la première fédération internationale de Sambo et on a voulu vulgariser le sambo à travers le monde. Et le sambo, il y a, deux, formes de sambo. Le premier sambo, c'est le sambo sportif. Le sambo sportif, c'est, si vous voyez un peu le judo, c'est, à peu près ça. Ça se pratique avec, euh, les deux d'art se pratique avec euh, une veste, comme euh, pour le judo, mais avec des, passants, ici avec des épaulettes et euh, avec shorts et chaussures euh, euh, adaptées. Pourquoi tout cela Bon, c'est ils ont voulu parce que chaque discipline a sa tenue. Donc, les responsables de la, de la FIAS, la Fédération internationale de, de Sambo, et ont jugé utile de prendre, d'adopter cette tenue. Donc, j'en reviendrai d'ailleurs. La deuxième forme de Sambo, c'est le Sambo combat. Le sambo combat, c'est la boxe, le, judo et le karaté mélangés, comme le MMA. Donc, euh, c'est vraiment un sport euh, complet. Et il associe le coups de poing, coup de pied, projection avec clé, clé de, de jambe, clé de bras, et avec. Euh, Donc, c'est comme ça, ça se passe sur le terrain Oui. C'est comme le combat... les combats et MMA, façon que vous voyez dans les caches, c'est à peu près ça. Mais ça se pratique sur un tapis et c'est avec casque, avec toutes les protections que ça requiert. Par exemple, avec les coquilles, les protèges, comment on appelle ça, protège sexe là, les gants, c'est des gants, c'est des mitaines avec, euh, comment on appelle ça, qui, qui sont dépourvus de, comment on appelle ça, qui n'ont pas de. Euh, les doigts qui sont pas les doigts ne sont pas couverts c'est pour permettre la saisie, parce qu'il faut saisir, projeter quelqu'un, donner des coups de poing, coups de pied, coups de coude, tout ça là, c'est un sport libre. Et récemment, en 2016, on a, la Fédération internationale a jugé d'insérer le sambo, le beach sambo. Le beach sambo, c'est le sambo à la plage. Et ça c'est pratique euh, uniquement on pratique uniquement le sambo sportif là-bas, parce qu'on ne peut pas faire le sambo combat là-bas, et donc ils n'ont pas essentiellement le, sambo sportif. Donc c'est une lutte qui se pratique euh, dans le sable. Ça peut se faire euh, en bordure du fleuve, sous le sable, n'importe où. Et ça, c'est juste, euh, c'est pas les mêmes règles. Et ça, c'est vraiment un sport, un très bon sport. Maître, est-ce que vous avez l'habitude de participer à des instances internationales permettez-moi de faire un peu aussi la jeunesse, parce que la genèse, le, le Sambo est arrivé dans les 2004, 2006 comme ça, avec euh, par le touchement du, du maître Mbouele qui Dieu et son âme, pardon, il est décédé en 2011. Donc c'est lui qui a amené, qui, est venu nous former ici. On a eu notre première participation en 2006 au, Maroc et au championnat, notre premier championnat euh, d'Afrique euh, auquel moi j'ai participé en tant qu'athlète. j'ai participé parce que j'ai combattu Avant d'être samboïste, j'étais judoka. Je suis actuellement ceinture noire quatrième dan. Donc, euh, j'étais judoka et ça m'a permis de faire la transition et je, participais à cette compétition. Et j'avais combattu dans deux catégories, en open et en, individuel, en, 82 kilos. Donc euh, j'avais eu deux médailles, une médaille, deux médailles d'argent J'étais classé deuxième dans les deux, dans les deux euh, catégories. Donc, euh, et c'était parti de là. Malheureusement, j'ai eu un accident malheureux en 2007 qui a un peu bloqué mon élan. Et bon, Dieu merci, j'ai pu gérer ça, alhamdoulilah. Et permettez-moi de rappeler aussi que le Niger est membre fondateur de la Confédération africaine de Sambo. Et je suis à cet effet vice-président euh, depuis 2013, vice-président de la Confédération. Et, je suis euh, euh, membre de, la, commission technique de, la Confédération. Et pour la première fois, il y a le Niger, un Africain au, niveau, au sein d'une de, commission de de la Fédération internationale, j'ai été membre de l'antidompage d'abord en 2013 et après je suis, je suis membre de la commission technique euh, depuis 2019. donc, euh, et nous avons, nous faisons notre, euh, tout notre possible pour faire pour euh, vendre l'image du, Niger à l'international. Et malheureusement, et on est un peu confronté à des difficultés, mais malgré ça, avant ça, d'ailleurs, en, 2000, pour vous dire, la fédération a été créée réellement en 2016, le 8 mars. On a eu notre arrêté le, le 8 mars 2016. Euh, et juste quatre mois après, euh, en juin précisément, on a organisé sous fond propre euh, avec l'aide de la Fédération internationale, on a organisé le championnat d'Afrique, le 11e championnat d'Afrique, euh, parce que... Ici au Niger. Au Niger. on a eu une trentaine de médailles. Et le Niger s'est classé et troisième. après le, Maroc et le Cameroun. Donc euh, c'était, bien. On a, et partout où on allait, on a vraiment représenté valablement le pays. on, a été dans les différents championnats. Et euh, à, Saint-Pétersbourg, en Russie, au Japon, en Roumanie, en Bulgarie, euh, en Corée. Et ça, c'est sur le plan international. Mais malheureusement, on n'a pas eu de médaille internationale, mais quand même, le Niger euh, s'est valablement représenté euh, dans ces, dans ces championnats. Et au niveau sur le plan africain, on a, on a participé presque à tous les championnats d'Afrique. Parce que on a puis avoir euh, l'aide, euh, l'appui de la Fédération internationale qui aide quand même les petits pays africains qui n'ont pas les moyens. Donc on participait avec euh, deux, trois, trois combattants. Donc de, de, 2016 à aujourd'hui, on a eu pas mal de, de médailles d'argent, médailles d'or et avec euh, nos athlètes, euh, les Bouba Sadou, les, les Zaini, on a euh, Mohamed, Abdurrachid, tout ça, on a eu quelques médailles sur le plan international. Donc le Niger s'est vraiment illustré dans toutes, dans toutes ces compétitions. Et malheureusement, c'est le fait que le Niger amène un, deux combattants par la euh, euh, compétition. Donc malheureusement, ça, ça ne fait pas en sorte que, qu'on ait beaucoup de médailles. Sinon, on allait glaner beaucoup de médailles. selon beaucoup d'observateurs du domaine du sport, le principal problème est le manque de politique claire et détaillée combinée à une absence totale d'obligation. Euh, il y a aussi le manque de moyens au niveau de beaucoup de fédérations. Euh, qu'en est-il au niveau de votre fédération Quel est le cas de votre fédération Donc, euh, s'agissant de notre fédération, la Fédération nigérienne du triathlon, et nous n'échappons pas à la règle. Le manque de sponsors le manque d'appui, le manque de moyens, c'est le principal obstacle, en dehors de différents autres obstacles d'affiliation dont on a parlé tout à l'heure, de reconnaissance, il y a le problème fondamental, c'est le manque de moyens. Aujourd'hui, un sportif ou une association ne peut pas atteindre ses objectifs tant que les moyens ne suivent pas. Comment est-ce que vous arrivez à terminer vos activités donc, au départ de la création de cette fédération, il y avait un sponsor, bon, le nom Saham, qui avait eh, aidé la fédération à participer à plusieurs épreuves et à gagner des médailles. Cette fois-ci, Saham ne sponsorise plus. Et, mais malgré que du, moment où notre fédération atteint un summum, puisque nous avons eu plusieurs médailles d'or même à, trois à trois championnats d'Afrique. Et je pense que le seul aspect, c'est la volonté des, dirigeants de la fédération et la volonté des entraîneurs qui acceptent d'entraîner sans moyens et les sportifs qui sont habitués à la victoire. vous pas. Le gouvernement, depuis notre création, n'a pas aider cette fédération. Ça fait partie des, des, couacs que nous avons effectivement. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, en, tant que premier, en tant que partenaire qui a donné la délégation de pouvoir, a été sollicité toutes les fois. Il y a une seule fois où ils nous ont aidés à participer au, comment ça s'appelle, au 18 décembre des 2018 Là, quand oui. C'est à cette époque seulement que nous avons pu avoir l'aval du ministère de la Jeunesse et des Sports. Seulement, le ministère nous a toujours aidés à, comment dit, à faire les déplacements dans le sens administratif. Je vais dire qu'ils nous ont toujours autorisés à aller faire nos compétitions à l'international et revenir. Ils ont cautionné nos activités. Mais très malheureusement, ils n'appuient pas puisqu'il et nous n'avons aucun sponsor. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je disais que cette année, c'est la ville de Niamey qui a pu sponsoriser notre championnat national et nous avons pu renouveler nos structures. Et en dehors de ça, nous, on s'appuie sur la cotisation des membres et quelques bonnes volontés autour de nous, puisque je vais dire, il y a des coopérants qui ont vu la manière dont nous sommes déterminés à, faire notre activité, certains ont mis la main dans la poche autant de fois que nous avons voulu pour réparer nos vélos, pour donner quelques prix. Parce que eux-mêmes, les coopérants participent à notre discipline-là. La course de vélo, la natation et la course à pied, ça les intéresse beaucoup. Et à notre dernière activité, ils ont vraiment participé. On a eu une dizaine de, coopérants venant de, des pays d'Europe et d'Amérique qui ont suivi nos activités et qui, c'est eux. Aussi, il y a un, petit sponsor que j'ai oublié, Africa Sport, qui essaie chaque fois d'habiller nos sportifs. sinon, tout le reste, c'est vraiment de la volonté pure. Il n'y a pas de sponsor. Et c'est ça qui fait que, je disais la dernière fois, on était au Sénégal en décembre, on était deuxième pays africain après le Sénégal, pays organisateur, nous avons eu quatre médailles. Et j'ai dit, si nous avons eu l'appui d'un seul sponsor, on allait être le meilleur parce que le Sénégal a dû nous gagner par le peu de moyens dont il dispose. Nous, sa ressource. Et j'ai dit aussi, nous avons la volonté de certains, certaines personnes, dont Rimbo qui nous a aidés gracieusement à faire le déplacement. En dehors de ça, je pense que nous n'avons pas d'autres appuis. Ablay Hassan, euh, si vous êtes en ligne, avant, euh, l'esprit patriotique était la seule motivation qui guidait les athlètes et les joueurs. Euh, comment expliquer la désaffection ou encore le déclin constaté au niveau de plusieurs disciplines sportives au Niger Donc, merci Monsieur Mokhtar. Moi, je dois quand même m'aligner quand même dans le même sens que, en cas, mon prédécesseur, le président Mourou. Euh, moi, je pense que cest dire il y a un problème qu'il faut vraiment euh, essayer de, cibler, qui est quand même le manque quand même de, le manque des moyens. C'est-à-dire aucune aucune politique ne saurait quand même euh, être efficace tant que tant qu'on n'a pas les moyens. Il faudrait toujours qu'on ait les moyens. Comme on a dit, l'argent est vraiment le nerf de la guerre. Tant qu'on n'a pas des ressources suffisantes, on ne pourra jamais quand même avoir les résultats escomptés. Donc, cela dit, c'est-à-dire, euh, nous avons un problème commun. Abla Hassan, vous voulez dire que le gouvernement n'appuie pas les fédérations euh, Mais là, je ne saurais dire le contraire. Euh, c'est comme l'a dit Mourou. Sincèrement, nos structures qui sont dans des difficultés financières, ils n'arrivent pas quand même à gérer il y a certes une délégation de pouvoir et comme on dit, quand il y a un transfert de compétences, normalement les moyens doivent suivre. Ce n'est pas le cas. Moi, je ne, dirais, je ne peux prétendre dire le contraire. Si nous avons des moyens tels que vraiment les structures sont engagées, tels qu'ils sont dynamiques, hein, ils sont animés vraiment par un certain, comme vous l'avez dit, une certaine, un certain dynamisme, les résultats qu'ils allaient engranger allaient être spectaculaires mais ce n'est pas le cas. Et également, la politique également qui est développée. Parce que nous, on aurait souhaité, parce que on nous a dit qu'au niveau de l'État, il y a tellement de priorités que euh, au niveau du sport, on ne peut pas se permettre quand même d'adresser des sports comme par le passé, n'est-ce pas On aurait dû développer une structure, en fait, une politique visant à amener les sociétés, parce que les sociétés, des fois, ils ont des ignorations, c'est parce que quelque part, dans le contrat, les contrats qu'il est lié avec l'État, il est dit quelque part qu'il doivent sponsoriser, qu'ils doivent aider également certaines associations comme des associations sportives. Mais quest ce que c'est le cas Est-ce que c'est le cas, Mokhtar Ce n'est pas le cas. Quoi, selon vous, les sociétés euh, ne, sponsorisent pas les, fédérations Pourquoi, selon Mais comme il l'a dit, c'est les, quelques rares, c'est les mêmes sociétés qu'il a citées, les sociétés Rimbo, Saham, c'est les quelques rares sociétés seulement qui sont là pour booster un peu. Je vous ai parlé également de, comment on appelle ça, les sorties. C'est la même chose. C'est les quelques rares sociétés qui, des fois aussi, prennent en charge en totalité ou prennent des fois la moitié. Nous, à chaque fois qu'on a des sorties, on se réfère par exemple à Rimbo qui vient de sauter, on a un demi-tarif. Et c'est avec ça qu'on arrive à se lever. Et il a dit également, il y a aussi Saham également, qui avait également aidé certaines structures également à travers quelques contributions. N'est-ce pas il n'y a pas ces sociétés. Et il y a combien de sociétés au Niger Mais pourquoi l'État ne peut pas quand même peser de tout son poids pour contraindre Parce que ça fait partie également d'un contrat également qui est avec, c'est-à-dire, euh, comment on appelle ça Ça fait partie, c'est-à-dire, c'est des clauses qui sont là, qu'on doit faire respecter. Quelles sont ces structures également qui, qui, aident, c'est-à-dire, les, associations sportives Quelles sont ces structures On peut les compter au bout de doigts, ils ne sont pas les seules structures. Si l'État à travers son ministère, en fait, euh, à travers le ministère de la Jeunesse, si elle n'arrive pas quand même à assurer, elle, euh, pour, des, pour, pour des contraintes, pour des raisons, je ne sais pas, pour des contraintes financières, elle aurait dû quand même développer une politique qui va dans le sens à contraindre, j'ai dit bien, les sociétés. Ailleurs, c'est ce qu'on fait. Mais pourquoi on ne peut pas le faire chez nous on pas le On va revenir vers vous, Abla Hassan. Le temps de donner la parole à Maître euh, Alzouma Hamidou. Maître Alzouma Hamidou, quels sont vos rapports avec euh, votre euh, tutelle, le COSENI Les rapports avec notre ministère de tutelle, ils sont, ils sont très bons. Sauf que comme les deux, l'ont on ne peut pas se voiler la face. Vraiment, sur le plan administratif, euh, pour nous faciliter les déplacements, les visas, le ministère, vraiment, euh, il fait de son mieux. mais seulement, le quoi que c'est. Le problème, c'est qu'il faut, il faut pas. Euh, il, faut, il faut aussi les moyens financiers. Parce que les fédérations, quand une fédération n'a pas les moyens de sa politique, eh, malheureusement, il va de soi que cette fédération ne puisse pas bien, eh, bien, bien développer le, sport comme il se doit. Donc, euh, on a besoin de moyens. Et chaque fois que. Moi, je pense qu'on doit même euh, l'État doit faire en sorte que euh, qui, doit travailler la conscience de amener à sensibiliser les, sociétés à financer le sport. Dans certains pays, on oblige certains, les sociétés à, financer le sport, quitte à donner un quota pour le sport. Mais Ici, ce n'est pas le cas. Là quand vous allez vers une société, Dieu merci, bon, nous, on a eu la seule euh, société qui nous a euh, aidé une ou deux fois, c'est, euh, comment on appelle ça, la seule société qui nous aide d'ailleurs, c'est la, la Sonidep. C'est, timide, mais moi, quand même, elle, l'a aidé. Mais les, sinon, on n'a pas de, de société qui, qui, nous aide. Sauf la seule, notre seule, euh, comment on appelle ça, c'est notre volonté. Ah, ah, ah, Marou Amadou, rapidement, euh, comment rectifier le tir Donc, euh, moi je pense que l'État, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, doit développer la politique sportive d'abord. C'est-à-dire que je vais vous dire d'abord que la politique dans un, pays où tout est priorité, oui. comment faire rapidement Il faut d'abord adopter la politique nationale sportive qui, je vous dis, souffre d'application. Peut-être que c'est dû au manque de moyens. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans un pays où tout est priorité, je pense que le sport aussi est priorité. Au lieu d'investir l'argent dans d'autres activités, peut-être dont on n'est pas sûr que ça rapporte sur le plan social, le sport a des valeurs sûres de société. Le sport a des valeurs sûres de relations. Et peut-être au niveau de la lutte, on reconnaît un peu la valeur de cette lutte traditionnelle qu'on organise au Niger. On organise bien le championnat. Pourquoi pas les autres fédérations aussi Pourquoi les autres fédérations ne bénéficient pas d'un peu C'est vrai, l'État a fait un effort pour mettre un fonds à la disposition des fédérations. Mais ça ne suit pas puisque ce n'est pas toutes les fédérations qui bénéficient de ce fonds. Ce fonds alloué est-ce que ça vient Point d'interrogation. Est-ce que c'est dépensé Point d'interrogation. Et même si c'est dépensé, ça ne va pas à tous les niveaux parce que nous, malgré nos, performances, nous n'arrivons pas. Dans la majorité des, cas, au niveau des fédérations, nous ne bénéficions pas de ce fonds-là. Troisièmement, l'État doit aider les fédérations à aller vers le comité olympique et sportif nigérien, le COSINI, qui, est qui a la charge du développement du sport parce que le, comité international olympique a une branche qu'on appelle la solidarité olympique qui investit de l'argent chaque année ou bien chaque quatre ans pour chaque pays pour le développement du de à la base, pour le développement des, élites, pour la, compétition, les compétitions internationales, pour la détection des talents, pour la formation des entraîneurs, pour la formation des officiers techniques et pour appuyer les fédérations dans les problèmes, ou bien le sport euh, féminin. Dieu merci, nous sommes en train d'en faire tout le temps. Toutes nos fédérations reconnues par l'État ont aussi demandé cet appui dont certaines fédérations seules bénéficient au niveau du comité olympique. Et c'est pour cela, dernièrement, nous avons demandé à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, et nous avons aussi directement écrit, un certain nombre de fédérations, nous avons écrit au comité olympique pour dire de rétablir le tort qui est créé entre les, fils d'un même pays. Rétablir le tort, l'État a le devoir d'assister et de soutenir ces fédérations pour qu'elles contribuent à leur tour au développement socio-économique du pays. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Marou Amadou, président de la Fédération nigérienne de triathlon. Au téléphone, Abdoulaye Hassan, président de la Fédération nigérienne de badminton et Maître Alzuma Hamidou, secrétaire général de la Fédération nigérienne de Sambo. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangu qui vous parvient grâce à nos 41 euh, radios partenaires. Merci aussi à la technique euh, côté son assuré par Saini Isaka et côté vidéo euh, Mustapha Ayouba. Merci, au revoir.